Pour qui voter Il faut voter pour le candidat utile. Et nous, mais euh, en intime conviction, nous avons l'intime conviction que le candidat utile, c'est le candidat Amadouba. Pourquoi euh, Tout d'abord parce qu'il faut savoir le parcours de l'homme. Il faut savoir les convictions de l'homme, mais aussi il faut savoir les ambitions de l'homme. Euh, Monsieur Amadouba, qui ambitionne d'être le cinquième président de la République du Sénégal, a comme ambition de faire du Sénégal un hub de modernité, après 12 ans de construction par son excellence le président Macky Sall. C'est leader l'exemple comme docteur Nafissa Doudiou, c'est nous sommes euh, parmi tout simplement ces jeunes euh, partout comme partout dans le Sénégal et nous sommes vraiment tout simplement derrière son excellence, nous sommes derrière le choix tout simplement qu'elle a porté euh, qui est le choix Modoba. C'est une dame qui croit foncièrement à la jeunesse sénégalaise et aujourd'hui je pense très bien qu'en tant que responsable au niveau de Rufisque, donc aujourd'hui aujourd'hui, euh, elle est aussi euh, dans les autres coins du Sénégal. Elle a un mouvement qui a, une, qui a vraiment une dimension de parti politique. Et cela aussi peut attester cela. sénégalais bu yéwo Sénégal ak bu yéwo bitim réew li mu am ci mbébét moy nek ci dëkk bo xamanténi ni amna jamm amna am mais surtout nek ci dëkk bo xamanténi ni pétrole ak gaz dañ fay génn ñu ko fay exporté te mu nekk si jàmm ak salam dama bëgg nak Moussa nga wax ma ban dëkk Afrique nga gis pétrole ak gaz di fa meññi mu am jamm bari wul motax nak may ñaan askan wi dimanche 24 mars bu ñu lam lamé benen candidat bu dul Amadou Ba sanil ko xop bi nga xamante ni

exactement que président defna na dara biir Sénégal amna na jëlé Sénégal amna na yobbu Sénégal ak kum ñu joxoñ di Amadou Ba aussi bu ko ndaw ñu joxé bop aussi euh, mën nañ euh, mën nañ Sénégal ci kanam.